En tant que Parcellois, en tant que leader de mouvement, donc on est au des assainis. Donc, mm. je sais le passage le maire Moussa Assi. Donc, il y tirer un bilan, le bilan du maire, quel bilan est tiré euh, C'est que taille, si vous de spécialiste mm-hmm. gouvernance et spécialiste gouvernance locale, et spécialiste l'aube de mouvement, et parcelle, xam parcelle ñu laisse le bilan wu Moussa Sy di nga am problème pour juger bilan parce que bilan bi dafa existé ah bon Ouais. c'est que Moussa si bi muy ñëw maire a fi fekkoon sax ay acquis mais tey acquis yi fait fi il dafa am ay infrastructures qui fi existé woon lu mel les radios municipales, lu mel centre socio culturel dox une animation et des activités lu mel ni plateau technique bu tane fii ci hôpital euh, euh, centre de santé Mame Abdou ñu yaakaaroon ni hôpital la ñuy am fekkoon fi stade mu toj ko. mais stade bi ñu koy tabax de parce que pare na de am ah. ci ñetti mandat waaye pare na parce que. ci ñetti mandat ngay tabax stade bu existé woon nga koy nga koy rénover. rénovation bu bu ñetti mandat est-ce que aussi c'est pas les lenteurs xam nga avec euh, les les là les l'entrepreneur autres xam administrative peut-être. Ouais mais qui est le chef du l'OLU qui est le premier magistrat qui est responsable ci l'OLU Donc, ma ne yow la de wala ñun la. nous ne sommes pas responsables. waaw donc kon mom lañ koy imputer tay yow mini tay

aux prochaines élections, euh, il essaiera de passer par la grande porte. y a beaucoup d'élections élection c'est ça qu'on ah, espère. ah troisième mandat dafa xew ñam troisième mandat il gars yi ñu ngi seen y ni ni na ni wii nii noo ba un ni bàyyi troisième mandat. Euh, waaw li xew troisième mandat j'espère que c'est à l'abandon Le troisième mandat suis au Sénégal actuellement. ah espérons parce que lu ci lu ci lu ci kanam rawu li gën daal nu ko olof Ndiaye di di waxee donc comme yow attaqué nga bilan maire bi né maire bi apparemment direct on dit on dit que il n'a pas de bilan donc yow est-ce que en tant que yow candidat à la à la mairie est-ce que vous avez les les moyens de votre politique yow a vision bonne vision pour boo jë boo passe à Assainies fan nga koy teg nga jëlee ko d'un point A yóbbu ko vers un point B. Euh, d'abord mot clé wu suñu candidature ak mot clé li lii défi bi mooy jëlee Parcelles Assainies statut cité dortoir def ko statut ville moderne. est-ce que day promesse électorale électorale rek ay kii yooyu rek comme policiers yi di ngeen a bëri bëgg jël maire bi rek da ngeen ñuy kii suñu xel yi daal di foowee suñu xel yi rek. Euh, loolu moo waral ñun ñu wàcc ci langue politique gi parce que dañoo sonn ci fooyee xelu askan wi ndaxte ñun mënuñoo juddoo parcelle yaroo fi màggee fi euh, di fi def lu ñuy xeebee euh, Parcelles Assainies yi potentiel yi mu am bu ko une gouvernance locale mais aussi accompagnée par une politique de l'État suffisamment gëm naa ni Parcelles Assainies dinañu ko développer comté ci mbir yi mooy ne Parcelles Assainies communes peu dynamisme démographique ci la parce que yi nga position géographique une valeur ajoutée prépondérante La yi nga son potentiel fiscal da une valeur probante le capital humain bi nekk Parcelles da une valeur probante mais aussi compte tenu de l'eau nous nous optimiser d'abord le capital humain existant bi am créer un environnement des affaires Parce que bis nous ko sa zone d'activité dynamique Nous fexe créer d'autres zones d'activité dinañu booster la restauration et le tourisme bu fi exploiter le littoral pas jaay mais de permettre parcelles de mener des activités de aménager parcelle la commune attractive de aménager la corniche des bâtiments à usage de bureaux en partenariat avec les institutions financières mais aussi faire appel au financement innovant et alternatif. mais aussi carte postale ou parcelle. dinañu redéfinir des réaménager les espaces défar image parcelle parcelle dotée ou de services techniques suffisants mais Ligue gëna yok capital humain bi incubateur start-up bi ñu déjà avec les moyens publics et privés le partenariat public et privé la promotion des espaces coworking pour permettre aux petites et moyennes entreprises par loi, opérer une mise à niveau des artisans et des artistes avec un environnement d'organiser organiser ay d'organiser des organiser ay forum permettre échange partenariat avec l'étranger avec une bonne diplomatie locale mais aussi travailler de manière très large la chambre de commerce la chambre de métier faire des artisans parcellois bu ne am carte chambre de commerce am fa dossier di mais aussi chambre de métier nga am Nous aussi ñu faire intervenir li nga encadrer les artisans mais nous aussi en ce qui concerne la formation des jeunes sur les métiers porteurs sur les créneaux porteurs l'encadrement des petites et des moyennes entreprises l'accompagnement mais aussi ak les institutions financières wax leen sécurité investissement yi les entrepreneurs il faut ñu sécuriser par une bonne formation et aussi am ay incubateur bi di len ci suivi et évaluation mais mais aussi am négocier faciliter yi les defal financières financière négocier ay crédit yo xamné taux yi bah, ba avons euh, aussi accompagnement de l'État central parce que aussi l'État politique territorial doit accompagner ci lu les collectivités nga xamni li nga xamné moy manquement ak de la décentralisation moy ni localité yi ni ñu ñaké am compétence pour pour égaler compétence transférée yi mais de manière aussi proportionnelle une population bourrée, par bu mel ni Parcelles fonds de dotation de l'État dafa conséquent dans proportionnel mais aussi équitable parce que communes nous, nous beaucoup, mais une politique d'attraction ba siège Orange le siège société pétrolière am environnement bo xamné da permettre ñu parcelle mais dañuy commencer ci rendre assainir les parcelles moy mener une concertation avec les parcellois de manière inclusive mener une politique participative impliquer tous les parcellois et toutes les sensibilités té fu compétence nek nga xam ni ñun am nañu xalaat ci parcelle am nañ une analyse ci parcelle mais suñu analyse ñun kese doyul parce que dañu bëgg li nga xam ne mooy doxal parcelle mu fekk ne na ñun dañ ko waxtaanee ak waa parcelle te waxtaan nañu ak waa parcelle parce que pas plus tard qu'hier j'étais au marché unité set te on va continuer sur cette lancée mais day nekk solution boo xam ne intégré lay doon parce que loi avant nous qu'on appliquer day partageons que ñu de telle sorte que nous appliquons les appliquer day nous na ni ñun nous ordre de priorité comme nous l'avons ko Nous ni d'abord environnement proprement dit rendre assigné les parcelles nous avons une commune attrayante et accueillante am un carnet d'adresse am une image bu mais environnement des affaires nous allons créer la qualification et la maîtrise d'œuvre nous créent que par la formation et la mise en niveau des artisans Nous impliquons leen les acteurs Nous impliquons les délégués délégué marché yi chef de quartier nous impliquons les et nous éléments de propagande Nous avons une bopp une responsabilité yem ci accompagner le développement et défendre l'intérêt matériel et moral des Parcellois mais les conseils de quartier jouent pleinement leur rôle Si on conseils de quartier on politiquement les ASC et la zone nous ferait dépolitiser Nous avons une responsabilité en tant qu'association sportive et culturelle nous défendre le sport et la culture nous yem ci loolu bu politique ñu casquette ñu yem ci loolu nga xam ni dootul doon ay nit ñu ñuy utiliser parce que nekk ñu lay utiliser dañ ko war a arrêter. waaw xam naa monsieur Kane macha allah wax parce que sa bilan programme joxe bu ko waaye euh, xam naa dañuy bàyyi population et les pasteurs là ñoom xam naa elles seront les les meilleurs juges. parce que souvent bon nit ñi dañuy joxe seen promesse électorale comme ni ko kii di waxee rek euh, chevènement mais on espère que yow kenn du la mhm. parce que émission bi xoj nañu xam naa dañuy ci